esprit ñëpp ngi fi. inter coalition waaw loolu mooy coalition bu njëkk bi waaye di nuyu nag waa sàmm sa kaddu ñu bokk ak ñoom muy coalition fii ci département bu Pikine. jërëjëf. defe naa ne mooy yooyu ànd ci sàmm sa kaddu ànd ak takku wàllu ànd ak population yu Pikine suñu boole seen doole. am pour benn volonté si ne danañu amal ndam ci département de Pikine. 80 pour cent. Pikine nag xam ngeen ne ah wax dëgg. loolu ayca. waaw président waaw. ma ne ko ma ne ko Pikine dafa nekk ci xolu Sénégal. dëgg la walaay. moo tax nag lépp lu ñu fa tàmbali woon. su yàlla defee ñu am majorité daañu ko gën a dëgëral ak bokkoon na ci la route euh, bu ñu tuddee. yoonu yëmbal bi nu mu tuddati waaye. maam jaara. waaw route de Niayes. route de Niayes nga xam ni. Euh, vraiment tracé woon nañ ko ba finalement lépp taxaw. bu ñuy wax bi tam. xam ngeen ne lu ci gën a bëri Pikine moo tax. waaw. ak aussi war a jublu nag ci xëy ndaw ñi ak liggéeyu gone yi ak renforcer formation professionnelle waxoon naa la ko jara ba jox ma terrain ci wetu arène nationale. ah leer na naa ne nag. président waaye gars yi bloqué nañ travaux yi de ñu bees yi bloqué nañ lépp. moo tax ñu war a am majorité. débloqué ko jërëjëf yéen waa Pikine di nopp Pikine Nord ak Pikine département bi yëpp d'ailleurs d'accord pour def suñu meeting de clôture ci département de Pikine. oh là là. bi maa ngi nuyu suñu mbokk sàmm sa kàddu ñu ànd ak ñoom ci liggéey

tous les grands responsables kenn bougéwul ñoom Abdel Aziz Sy bu UDTS ñoom ministre sa ministre conseiller Ndiawar nous avons ngi nii toog moo ngi nii toog Ndiawar waa Ablaye Baldé seen représentant moo ngi président Ndiawar a ngi je vais très bien monsieur le président jërëjëf très bien monsieur le président kontaan merci beaucoup waa PDS bu sa papa di sama papa Ablaye Wade Awa Diop mu ngi nii PLD PLD Omar Sarr. sa frère Pape Diop xadikat mi ko représenté mu ngi nuy toog. PLD sa xarit Omar Sarr Saliou Tall mi ko représenté mu ngi nuy toog. Omar Sarr sa raq sa xarit sa conseiller Modou Diagne Fada ko ku di bi ko représenté mu ngi nuy toog. Makoura Niang moo représenté. waaw <laughs> xam naa li ngeen di liggéey jamono jii Ablaye Balde Makoura Niang moo ko représenté daal le département ci Pikine Nord mu ngi nii. ñu ngi lay ñu ngi lay fay. ah Eva Marie Coll Seck représentant moo ngi nii la grande ministre de la santé. Ñaaña Diouf. léegi nag léegi nag ki ma ki may mujjee mooy sama sëriñ. gor soosu. yore pire Serigne Moustapha si Al Maktoum sama représentant ñoo ngi fii. léegi nag femme femme yi nag femme yi nag ñoo doon daje tey ñun dañoo ñëw rek présider mais femme yi ñoo doon daje tey waaye man benn benn yóbbante laa lay yóbbante président Sénégal nee nañ. aéroport bii nga tabax. dañoo bëgg yow ak sa rax Karim balaa élection yi di jeex ngeen ne fii cëpp kenn dootul campagne. yéen ñaa daal boo leen ñëwee barki alxuraanul karim lu gars gasoon yëpp dina suulu président incha mais kontaan nañ président kontaan nañ bu baax a baax. c'est d'une assemblée générale des femmes de Pikine Nord de l'intercoalition takku wàllu. Sàmm donc euh, cette grande intercoalition que dirige le président Macky Sall comme tête de liste où à Pékin il faut le dire il faut insister le souligner à deux traits euh, Bougan, Khalifa Sall Tchernobokoum, Bokoum Pape Djibril Fall Al Maktoum ont tous demandé à leurs militants de voter la liste Taxawu Walou, ici à Pékin la liste dirigée par le président Macky Sall. Le président Macky Sall, Karim Wade, Pape Diop, Omar Sarr, Abdoulaye et autres, Fada et autres, ont demandé à tous leurs militants à Dakar, dans le département de Dakar, de voter la liste de Sam Sakadou. Donc c'est un échange. À Dakar, c'est Sam Sakadou qu'on vote, mais ici à Pékin, tout le monde, toute l'opposition réunie doit nécessairement et fondamentalement voter la liste de la coalition Takaou que dirige le président Macky Ce président qui a laissé tous les prestiges et honneurs au niveau international pour s'engager ici en tant que candidat député, c'est parce qu'il a constaté, lui, son frère Karimad et l'ensemble des autres membres, que le Sénégal qui les unit est plus fort que leur divergence politique, que l'heure est grave que le Sénégal va vers une dérive si on n'arrête pas ses autorités à partir du 17 novembre. Ils ne connaissent pas le chemin. Ils ne sont pas aveugles, mais ils sont myopes sans lunettes. Au lieu de les donner des lunettes, il suffit de, de faire d'eux des passagers et de prendre le volant pour conduire le Sénégal. Le PASTEF, dans la conduite du Sénégal, ne doit pas être conducteur. Le PASTEF doit être passager et que ceux qui ont construit le Sénégal, vous constaterez aisément que tous se retrouvent dans l'opposition. Les fils de Senghor sont, les gens du Parti Socialiste sont dans l'opposition aujourd'hui. Avec les Aminta Mengendiaï, avec les Moussa Fagnas. C'est le premier à construire le Sénégal. Les fils de Wad sont à l'opposition aujourd'hui. C'est les Karim Wad, les Ablaï les Fada, les Omar Sarr, les Pape Diop, les Souleymane Ndiaye. Les fils de Macky sont à l'opposition. C'est nous qui l'avons accompagné pendant ces 12 ans. Ça veut dire les constructeurs sont à l'opposition et aujourd'hui les destructeurs divisent le Sénégal. Ils ne savent que détruire. Ils détruisent, détruisent tout sur leur passage. Alpha Blondie avait dit, ces salauds ont brûlé mon paradis. Les anciens dignitaires ont bâti un paradis ou tendaient vers le paradis. Ces nouvelles autorités brûlent ce pays-là. Il faut qu'on accepte, avec un civisme, un patriotisme, un engagement sans faille, à faire bloc comme un seul homme pour les arrêter. Et ça, je m'adresse à la jeunesse. Cette jeunesse inconsciente qui n'avait pas compris, qui avait aimé le rêve et le tromperies, leur manipulation et leurs mensonges. Ces jeunes-là, il faudrait qu'ils se ressaisissent, se et acceptent qu'ils étaient dans l'erreur. C'est un signe de grandeur. Il ne faut pas qu'ils persistent dans leur erreur à partir du 17 novembre. Il suffit qu'ils regardent la galère que vivent leurs familles, leurs parents dans les maisons, leurs mamans dans les marchés, la, la de l'énergie, le courant, le carburant. Et ça va de mal en pire. Il suffit de constater cela pour qu'il ait le courage en tant que jeune avec un élan patriotique de dire nous étions dans l'erreur wolof nee na xamul da dans l'opposition Abdoulaye le bâtisseur Macky Sall le bâtisseur sont autour d'une grande intercoalition avec Serigne Mansour Bougane aujourd'hui que nous exigeons euh, je dis qui Serigne Mansour c'est mon ami c'est mon marabout Serigne Moustapha Al Al Al Maktoum et je voudrais profiter pour dire que si la tête de liste de Dakar, de PASSEF, le monsieur je ne sais même pas comment, quel est son prénom, s'il est libre, Bougan devrait s'envoler. Enfermer Bougan et laisser libre Abbas Fall, c'est le signe d'une dictature rampante. Et ces gens-là qui nous qui clignotent vers une dictature rampante, leur donner une majorité, non seulement est une complicité, mais est une responsabilité devant Dieu. Parce qu'ils seront responsables des futures souffrances, des futures misères des Sénégalaises et des Sénégalais. Je vous remercie. Gagner, et là je voudrais en profiter. Si l'opposition gagne, elle ne sera pas à l'Assemblée nationale pour broquer des projets de loi du gouvernement. Parce que l'opposition gouvernera. Le Premier ministre sera issu du gouvernement. Les ministres qui seront à côté du Premier ministre, seront des, membres issus de l'opposition. Donc, ils gouverneront. Ils seront au pouvoir exécutif. Sauf au palais, où Jomay restera en train de planter des arbres et de faire des cérémonies et continuer à voyager parce, qu'il aime voyager. On le laissera prendre les airs, voler, voir ses collègues chefs d'État, attendant paisiblement 2029 pour, pour céder la place. Mais si l'opposition gagne, cela signifie, je parle à tous les Sénégalais, parce qu'ils sont en train de vous tromper pour vous dire, si vous donnez la majorité à l'opposition, ils vont bloquer nos projets de loi. Ils ne seront pas là-bas pour faire des projets de loi. Ils partiront. Le Premier ministre sera ici, comme dans les grandes démocraties parlementaires, il sera issu de la majorité de l'opposition. Donc on, aura un Karim comme Premier ministre, ou un Bougan comme Premier ministre, ou un Anta comme Premier ministre, ou un Modi Fada, ou euh, le responsable de PUR, qui hein, hein, par exemple ministre de l'économie des finances etc. les membres de l'opposition seront dans le gouvernement ils vont produire des projets de loi qu'ils vont envoyer à l'Assemblée nationale où ils retrouveront leur majorité donc dire que vous donnez la majorité à l'opposition ils vont bloquer le pays ils ne vont pas voter nos projets de loi c'est parce qu'ils ignorent comment fonctionne l'institution la majorité de l'opposition euh, gouvernera le Sénégal à travers l'institution qu'est le gouvernement. Donc, vous D'accord Si vous donnez l'opposition le pouvoir, c'est comme si vous le dites, allez être Premier ministre et nommez-nous deux ministres pour véritablement rectifier les dérives de Ousmane Sonko, qui est là, que fait faire des, des, enfantillages à travers des meetings, ou même lui, en disant, en préférant ses inepties, il sait lui-même pertinemment que celui Seul lui et ses adeptes le croient. Tous les Sénégalais dotés d'intelligence, de raison, ne le croient pas. D'accord Alors, on m'informe que Bougan a été libéré. Euh, je prie Dieu, je remercie Dieu, je dis Alhamdulillah. Certainement, une amende de 500 000. Celui qui voulait donner 200 millions euh, aux gens de Bakel, si vous l'amendez à 500 000, c'est en fait. Hein 100 000 francs en tout cas c'est pour vous dire heureusement que moi personnellement je sais que Ousmane Diagne n'est pas à l'aise dans ce gouvernement là c'est un ministre qui commande la magistrature assis assise telle que les procureurs le procureur général s'il n'y a pas lieu de poursuivre il le dira de ne pas poursuivre c'est pourquoi on a au moins de la chance parce que cet homme là parce qu'il a une renommée d'être un homme droit. Ils l'ont copté pour nous le montrer devant, euh, devant, dans leur dans gouvernemental comme ministre de la Justice et garde des Sceaux. Mais je sais qu'eux-mêmes, ils savent que Ousmane Diagne ne sera pas complice de leur manipulation. Donc merci Ousmane Diagne, merci au procureur, merci à la, à la justice debout. Je vous remercie. Alors, moi vraiment j'en ai marre d'être député, je veux être ministre. Alors comme ce sont nos neveux, nos nièces, qui se dispute d'être parlementaire. J'ai une fois été parlementaire. J'ai beaucoup parlementé. Et même sans être à l'hémicycle, je continuerai à parlementer pour le Sénégal et pour Pékin. Donc j'ai pas besoin de siéger pour être un parlementaire. Ce que je suis en train de faire là, c'est parler au nom de Pékin. Quand je parle, vous verrez à travers moi que c'est le cœur qui parle. Parce que je suis engagé. Pourquoi Parce que je suis dégoûté des nouvelles autorités. C'est cet engagement-là que je le décline à, l'Assemblée nationale ou devant vos, médias. Ça me suffit tout simplement parce que j'ai une voix audible pour avoir bourlingué dans le land de nos politiques. Je sais que je serai écouté. Donc ça me suffit. Je donnerai aux autres jeunes l'occasion de siéger à l'Assemblée nationale. Moi qui fus rapporteur de la commission des lois, euh, décentralisation, travail et droits humains, je voudrais véritablement aller dans le sens d'être un ministre de la République. Hein, pour pouvoir servir non seulement Pékin, mais servir Sénégal. Je suis resté toujours pour servir Pékin être député servi Pikine et parlementaire, légiféré. Maintenant, je vais être à Kédougou, je vais être à Bakel pour voir les dégâts euh, qu'a causé le fleuve Sénégal. Parce que certainement, ces nouvelles autorités n'ont pas le temps de discuter avec les responsables de euh, l'OMS pour prévenir et anticiper des dégâts, parce qu'ils sont et aveuglés par une majorité Assemblée nationale. Ils ne gouvernent pratiquement pas. Ils ont préparé leur campagne électorale, ils ne veulent pas faire de déclaration de politique générale, ils sont en train de de nommer ceux qui insultent nos marabouts, tels que Cheikh Omar Diagne. Voilà le Sénégal d'aujourd'hui. Il empêche Bougan de faire la solidarité avec la coalition Sam Sakadou. Mais qu'est-ce que nous voulons Que tout le monde abdique, que tous les Sénégalais baissent leur culotte. Non, on nous tue, mais on ne nous déshonore pas. Ils sont au pouvoir, mais ils n'ont pas les armes et la liberté des Sénégalais. Même s'ils les ferment dans les quatre murs d'une prison, les Sénégalais demeureront libres parce que mon fils de Cheikh Baba Jacoba, les petits-fils de Lajor, les fils de Aladja et de Serine Touba, et de Barhamanias. Ces gens-là, ces grands panafricanistes-là, ces révolutionnaires de l'islam-là, qui ont compris que Mohamed n'est pas seulement pour les marabouts, euh, pour, l'Arabie saoudite, que Mohamed est un envoyé pour tout le monde et qu'ils ont produit des écritures au-delà de la conscience humaine un insulteur de ces du sénégalais-là ne peut pas siéger tranquillement au palais, renforcé par leur lobbying. Je suis révolté, je suis indigné aujourd'hui. Je suis un soldat de la République, je suis une sentinelle. Et je remercie toute la coalition de Pékin Nord, toute l'intercoalition, tous les partis autour de moi. Je félicite les femmes de leur grande mobilisation. À Pékin Nord aujourd'hui, une flamme est allumée. Nous, je souhaite qu'on la garde allumé jusqu'au 17 novembre pour fêter une victoire, pour que l'exécutif change à travers un gouvernement que dirigera l'intercoalition. Je n'ai pas besoin d'être parlementaire parce que je parlemente tout le temps. Merci beaucoup. Assalamu alaikum, je suis venu de Je suis Pikino, responsable PDS, présidente section Pikino, vice-premier vice la fédération Pikine, conseiller municipal ville et commune Pikino. waaw solos ndege yi de xam nga dañoo nekk ci ay campagne bi ñu nekkee ci ay campagne nag ku ne xam na ni ñun réew mi ñu yore nii ñu ko yor dañ leen cee at ba ñu yor ko ñu digoon ñu deux mois deux mois ñu liggéey réew mi expliqué daal ah ñun Karim lañu ànd Ablaye Wade lañu gëm mu joxoñ ñu ci ku mu joxoñ nag dañ fay dem mu joxoñ ñu ñu appuyer leen mais ci deux mois ci six mois yi gis nañ ni li ñu naqari woon ba tax ñu leen di ñuy amoon yaakaar bi ñu amoon ci ñoom yaakaar bi dafa tas tasar ndax xale yaa ngi gën a dee ci géej gi courant baa ngi gën a yokku réewande gi mi ngi gën a yokku saaga yi mi ngi gën a yokku ba pare ku wax nga jàppaat tëj yaakaaroon nañ ni dina fi jeex mais ba tey mi ngi fiy gën a am ñu nekk ci nag ay élection roonu ñëw nag appuyer ci loolu ñëw nekk ci ci campagne tey nag jigéen ñi ñoo xewle woon parce que woo nañu jeune ku ne xam na ni politique jeune la ku ne xam na ni politique femme la ah démb ñu woo jeunes yi tey ji ñu woo femme yi loolu la ñu nekkoon. waaw xam na ku ni ku ni ku femme xam ne ñoom ñoo yore ñoom ñoo moom ñoom ñoo ñoom ñoo yore ñoom ñoo yore jëkkër yi ñoo yore ñoo yore ñoo yore njaboot gi kon ku leen woo yaakaar naa ni woo nga ñu ku gis fii ni tey li nga xamante ni coalition yi ñoom ñëpp tey. dañoo ñëw dañoo ñëw ak doole ndax PDS boo ko gis-gis ak ñëpp rawatina nag man parti bi nga xamante ni moo ma fi indi muy PDS dañoo ñëw ak ak ak xol ñëw ak jàpp ci ñëw ak xam ni li ñu liñ fi liñ fi defaroon mu nekk fi ba léegi ñu seetaan ñu di ko yàq te bu fekkente ni sunu sunu sunu sunu njiit mi mi Karim Meïssa Wade ak li ko Macky Sall teg yëpp yëpp yëpp yëpp ni mu mettee su fàttee lépp lépp lépp am na lu tax bëgg sauver Sénégal moo tax mu fàtte lépp. amul dul benn baayam baayam bi amul amul Karim Wade papaam toog fee màgget mënul ñëw ku ko tegoon du Macky Sall kon tey su àndee ak Macky Sall bu ne ñi taxaw bu ñu wax ne ay Karim xamul li mu bëgg bu tayee mu def lii bu subaa non non dafa jàppale Jomaay Fay jàppalewul Sonko dafa jàppale Jomaay Fay bëgg a atti Sénégal parce que période boobu su fekkonte ni tey Macky Sall Adama euh, Amadou Ba jëlaat na réew mi xale yi dinañ ni gañewuñ leen xeex dina am bal dina tàq yooyu dina fi am mu booyee li ko neex ak li ko naqay dem leen ngeen appee ji Diomaye fay ñu jàppale ko mais pourtant ba mu gañee Messi sax dégguñu ko lu dul ay gaso te ñun dañoo régg démb tey soog a dikk ñu bàyyee ko lépp toog ñu demaat ci ay législative avant Karim di wax dara ñoom ñoo njëkk a woote ni ñu dañuy dem ak sunu parti ku xam nag parti PDS xam ne du dem ci ginnaaw kenn ci lañu ci la ñu tax parti libéraux yëpp tax waxtaan euh, Macky Sall ci njabootu Abdoulaye Wade la bokkoon ñoom Fada ñoom ñëpp fi nekkoon ak ñoom Omar Sarr ci njabootu Abdoulaye Wade la ñu bokk ah ñu ba njabootam yëpp daal di boolewaat nekk bee nga taxaw di ñaan yàlla jëlee fi li fi nekk parce que kat ñii ku leen joxaat majorité assemblée léegi loolu daal di nga ko di nga ko yaa ko sa bopp. waaw waxtaan nañu parce que li si li ci gën a neex mooy dañoo xool xooluñu suñu intérêt personnel parce que monsieur le maire Amadou Diarra kenn investir ko ci liste yi tey mu ngi ci coalition bi di ci jàpp man suppléant laa si la liste nationale. ci coalition bi ñima ala àndal sax xamuñu tax ndax investi ma la déet mais xoluma mënoon na ay xol ay rang xolumako bima xolé ma Saliou Dieng mu nek ay 23e ci liste bi man gisatuma dara parce que ñun gisuñu Karim saawu la ñu gis mu nek ci di japp di ci liggéey ku ñu daal di booyee neex ak liñu nakari taxaw jàppale suñu suñu parti fam ñu joxoñ ñu and ci coalition bi dem ci nak ak kër député yi ci ak fukki loxo te yaakaar nga ñun ñëpp ko defal